Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. L'actualité en ce jour, c'est le couronnement du roi Charles III d'Angleterre. Le président de la République, Mohamed Bazoum, y prend part. La biographie du roi et le résumé de la cérémonie à suivre dans ce journal. Mission du chef d'état-major des armées à l'intérieur du pays. L'objectif est de galvaniser les troupes et de s'inquérir de leurs conditions de vie et de travail. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a pris part ce samedi à Londres, en Angleterre, à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. La cérémonie, une cérémonie mémorable qui a tenu toutes ses promesses. Envoyés spéciaux à Londres, Moussa Yahaya et Issa Issa. Cérémonie du siècle pour les Anglais, dont la grande majorité n'a pas connu l'arrivée à la tête de la monarchie de Élisabeth II il y a 70 ans. Le couronnement du roi Charles III et de son épouse, la reine Camilla, a débuté par une procession sur deux kilomètres à bord du carrosse royal, les ayant menés du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster. Sous une fine pluie, des milliers d'admirateurs britanniques, dont certains ont afflué de tous les coins du royaume pour passer la nuit à la belle étoile et être en bonne place, mais aussi des touristes en provenance de tous les continents ont assisté à cet événement événement qui enregistre aussi la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Commence alors, sous la conduite de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, une cérémonie de couronnement fidèle à la tradition chrétienne de la monarchie britannique. Après l'étape de la reconnaissance ayant permis de le présenter à l'Assemblée réunie et au peuple, le roi prête serment, la main posée sur la Bible. Suit l'étape de l'onction, qui ouvre la voie au moment tant attendu, le couronnement, à travers la pose de la couronne de son ancêtre Saint-Édouard. Enfin, officiellement investi roi et son épouse reine consort, Charles III sur son trône complète la cérémonie avec l'hommage de son fils, le prince William. Commence enfin une autre procession, celle de couronnement du roi et de la reine, dans le carrosse de Westminster au palais de Buckingham un cortège de 2 km, 4000 personnes mobilisées, suivies de près par un monde fou sous le contrôle de 11 000 policiers mobilisés par la ville de Londres. Après avoir passé en revue un fort détachement militaire qui l'attendait au palais, le roi rejoint sa famille au balcon pour saluer la foule de fervents admirateurs qui attendaient ce moment de communion une parade aérienne refermant cette mémorable cérémonie, sachant que la célébration est prévue pour s'étaler sur trois jours jusqu'au lundi en marge de sa participation au couronnement du roi Charles III, le président de la République a accordé une interview à Hausa à nos confrères de la BBC. L'état des relations entre le Niger et la Grande-Bretagne était au centre de cette interview que nous résume ici à Ibrahim. Dans une interview accordée à nos confrères de la section Hausa de la BBC à Londres, le président de la République a donné les raisons de sa participation au couronnement du roi Charles III. Selon le président Mohamed Bazoum, le Niger et la Grande-Bretagne entretiennent de vieilles relations. Ces derniers temps, les relations sont beaucoup renforcées avec l'ouverture d'une ambassade du Royaume-Uni à Niamey. Sur invitation, nous avons tenu à être présents à Londres pour leur exprimer tout notre soutien. C'est une couronne qui jouit de beaucoup de prestige, une longue tradition et une riche histoire avec le continent africain de le Répondant à la question relative à la présence du Niger à cette cérémonie, qui pourrait être assimilée à une volonté de se rapprocher des pays anglophones, le président de la République a indiqué que le Niger ne s'inscrit pas dans cette logique, avant de rappeler que le Niger assume son histoire d'ancienne colonie française. Cette situation n'empêchera pas notre pays d'entretenir et diversifier ses relations avec d'autres pays du monde. À la question de l'influence de la couronne britannique en Afrique, le chef de l'État a décrit le rôle joué par la couronne britannique en Afrique, où ce pays œuvre et travaille au profit du continent, notamment à travers l'usage de la langue anglaise. Sur les retombées de sa présence à Londres, le président Mohamed Bazoum s'est dit convaincu que les relations entre les deux pays vont se renforcer davantage. Le président Mohamed Bazoum a conclu son interview par des vœux de réussite à l'endroit du roi et la continuité des relations avec les États africains, comme sous le règne d'Elisabeth II. La suite de cette édition, au terme de sa mission de travail dans la région de Maradi sur les chantiers des infrastructures scolaires pour remplacer les classes payotes, le ministre de l'Éducation nationale a présidé une réunion de synthèse. Les échos avec Sandra Natahi et Nassir Nakakale. Au terme de son périple qui a duré sept jours, le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, a tiré la synthèse de son séjour à Maradi. Cette mission dont l'objectif principal est d'apprécier l'état de mise en œuvre des principales réformes se tient dans un contexte particulièrement favorable marqué par une ferme volonté politique de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, il est important de souligner que Maradi compte 868 221 élèves, tous cycles confondus, dont 45,50% de filles, plaçant ainsi la région en tête de classement au plan national. Toutefois, il est réconfortant de noter que la région de Maradi a bénéficié d'une programmation de 594 salles de classe au titre de l'année 2022, dont 372 au titre du budget national. Parmi ces salles de classe, une quarantaine est déjà réceptionnée et les autres sont en cours. De nombreuses doléances ont été soumises dans la plupart des écoles visitées. Il est ressorti également de la situation présentée par la direction régionale l'éducation nationale un important déficit de 1370 enseignants, dont 1119 au primaire et 251 professeurs disciplinaires du secondaire. Nous avons rappelé les efforts déjà consentis par le gouvernement sur fonds propres ou avec l'appui de nos partenaires. Notons enfin que le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, a décerné des témoignages officiels au ministre du Plan, docteur Rabiou Abdou, au gouverneur de la région de Maradi, Cheba Aboubakar, au président du conseil régional, Lawalimana Moussa, et à tous ceux qui contribuent dans la gestion du système éducatif dans la région de Maradi. L'Union des étudiants nigériens de l'Université Boubacarba de Tilaberi a organisé ce matin la sixième édition de la Semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Salama Toubada et Amadou Ibrahim cette année sous le thème Étudiants nigériens face aux crises sécuritaires dans la région du fleuve, défis et perspectives pour une paix durable. Cette rencontre est un cadre d'échange et de partage qui permettra à l'ensemble des acteurs réunis de réfléchir au mieux sur le développement de notre pays, le Niger, à travers la culture de la paix. Plusieurs allocutions ont marqué l'éclat de cette cérémonie, dont celle de bienvenue du maire de la commune urbaine de Tilaberi, Moussa Douma, suivie de celle du secrétaire général de la région de Tilaberi, Jarir Mohamed Salissou, qui s'est félicité de cette initiative des étudiants Quant au recteur de l'université Boubacarba de Tilaberi, Azuma Zubair qui lui a rendu un hommage aux étudiants de Tilaberi pour leur maturité d'esprit et leur prise de conscience ayant permis de boucler l'année académique à temps, toutes choses ayant permis d'enregistrer des résultats satisfaisants. Évoquant le thème de cette journée dans son intervention, le secrétaire général de l'UNIT, Ayoub Hamidou, a indiqué qu'il s'agit là d'un événement majeur dont les discussions vont porter sur des sous-thèmes en lien avec la difficile situation que traverse la région de Tilabir. Dans un exposé, le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche s'est attardé sur la description géopolitique nationale et sous-régionale, PHD Mahmoud Jibbo, a salué les efforts déployés par l'État dans le développement de l'enseignement supérieur, s'appuyant sur l'atmosphère ayant caractérisé l'année académique 2022-2023 à l'Université Boubacarba de Tilaberi. Le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche a félicité l'ensemble des acteurs pour leur pleine implication. Plusieurs activités ont marqué cette journée, dont entre autres des conférences, de débats, des poèmes, un match de basket-ball. En mission de travail dans la région de Difa, le chef d'état-major des armées était hier sur les positions militaires de Bosso et Baroua et à la garnison de Difa. Objectif de ce déplacement, galvaniser les troupes engagées sur le front, mais aussi et surtout s'inquiéter de leurs conditions de vie et de travail. Abdraman Boukari. Le chef d'état-major des armées nigériennes qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des hauts responsables militaires a été à sa descente d'avion accueilli par le secrétaire général de la région de Difa, M. Ambali Bouaï, le général de division Abdou Siddikou Issa, qui a également passé en revue un détachement de la force expéditionnaire du Niger, a par la suite reçu les salutations des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité en poste dans la région de Difa, la série de rapports qui s'en est suivie a été d'abord l'occasion pour le chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Abdou Issa, à Bosso et Barwatou comme à la garnison de Difa, de manifester une fois de plus à toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit de tous les soldats tombés sur le front, armes à la main, pour la cause de la patrie nigérienne, avant de transmettre au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, M. Bazou Mohamed, de celui du ministre de la Défense nationale, M. Al-Qasim Indatou, et du sien propre, toutes ses félicitations et ses appréciations à l'endroit de l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'ils ne d'accomplir avec professionnalisme, et ce pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne. Autre point amplement développé au cours de ces rapports, à Bosso, Barwa et Difa, le respect des droits humains, la cohésion au sein des FDS et la parfaite collaboration avec les populations civiles, gagent de la réussite de leur mission. A noter qu'en marge de ces rapports, le chef d'état-major des armées nigériennes a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives et coutumières de ces entités visitées, aussi visiter la radio bouclier FM érigée au cœur de la zone de défense numéro 5 avec un programme riche et varié. Après la région de Difa, le chef d'état-major des armées a été l'hôte des éléments de la zone de défense numéro 6 de Maradi. À son arrivée, il a été reçu par le gouverneur de la région. Le point et l'objectif de ce déplacement avec Gunga Gibrima et Youssouf Suleiman. Accueilli à l'aéroport de Maradi par le gouverneur de la région, accompagné du président du conseil régional, du président du Conseil des villes de Maradi, des responsables des forces de défense et de sécurité, le chef d'état-major des armées, le général de division Abdou Sidikou Issa, à la tête d'une forte délégation, a reçu les honneurs militaires à sa descente d'avion avant de se rendre à la garnison de la zone de défense numéro 6 où lors du rapport avec les forces de défense et de sécurité, il a tenu au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, du ministre de la Défense nationale et du ministre de l'Intérieur à féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de fournir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé dans la région à travers l'opération Bouchia » qui est un véritable succès. Le général Abdou Sidoukou Issa a ainsi abordé plusieurs sujets, dont la lutte contre le terrorisme dans toutes les zones d'opération du pays, la lutte contre le trafic de stupéfiants, le respect des droits humains, la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, le professionnalisme et la rigueur dans l'accomplissement des missions militaires. Il a aussi rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur les champs d'honneur. Au terme de sa mission, le général Abdou Sidi Issa et sa délégation ont rendu des visites de courtoisie au gouverneur de la région de Maradi ainsi qu'aux honorables sultans du Gobiré du Katina, El Haji Abdoubala Marafa et El Haji Ahmed Alizaki. Retour sur l'agenda présidentiel de la capitale anglaise. Le président de la République mettra à profit son séjour à Londres pour présider une table ronde sur le commerce et l'investissement au Niger. Objectif vendre la destination Niger. Envoyés spéciaux Moussa Yahaya et Isaka Issa. Présent à Londres sur invitation du palais de Buckingham pour assister au couronnement du roi Charles III Parmi seulement 2000 convives officiels à travers le monde, le président de la République Mohamed Bazoum a présidé ce vendredi dans la capitale britannique la table ronde sur le commerce et l'investissement au Niger. Une rencontre à laquelle prenaient part les banques d'investissement les plus importantes de la place, des patrons de sociétés de divers secteurs tels que l'eau, l'énergie, les mines, le pétrole, le gaz, les infrastructures, les services, la santé et l'éducation, Auxquels se joignaient des représentants de certains ministères clés du royaume, tels que les finances et les affaires étrangères. En s'adressant à cette assistance de haut rang, le chef de l'État s'est réjoui de ce regain d'intérêt d'investisseurs britanniques pour le Niger, un pays qui consent d'énormes efforts pour améliorer son attractivité. Un regain d'intérêt qui conforte, selon le président Bazoum, le rapprochement opéré ces dernières années au plan diplomatique entre le Niger et le Royaume-Uni. Une des grandes richesses que contient le sous-sol du Niger, c'est l'eau. Et aujourd'hui, euh, du fait de l'étendue du pays, c'est à peu près 20 euh, euh, millions d'hectares de terres arables qui sont totalement disponibles pour l'agriculture et toutes sortes d'agriculture, l'agriculture du blé, l'agriculture de riz, et, d'autres euh, denrées euh, encore plus propices à la spéculation. c'est un pays euh, d'élevage par excellence ou encore un élevage de type intensif à caractère industriel peut s'envisager sérieusement et la position centrale euh, du Niger euh, en Afrique euh, de l'Ouest et à côté de l'Afrique du Nord est un atout important. Le sous-sol du Niger renferme des richesses minières, beaucoup de quantités d'or qui font l'objet d'exploitation pour le moment artisanale, mais avec un grand potentiel susceptible d'être mis en valeur. Le pays renferme aussi de l'uranium en grande quantité. Et l'uranium, c'est l'avenir énergétique du monde. Euh, le pays est très peu exploré et quant à euh, son potentiel de pétrole, mais les quantités déjà mises en évidence et celles qui ont commencé à faire l'objet d'exploitation sont déjà relativement importantes. Nous avons euh, un potentiel parce que nous sommes un grand pays sédimentaire, donc nous avons un potentiel de gaz aussi euh, encore loin d'être exploré et qui est important. Nous sommes un pays où il y a un grand potentiel de production de ciment, nous sommes un pays où il y a des richesses de phosphate euh, et d'autres euh, minéraux encore c'est un pays où euh, on peut euh, faire des investissements dans l'énergie parce que c'est une économie euh, en devenir. le potentiel énergétique pour la consommation de la population, mais aussi dans une perspective industrielle, agro-industrielle, est quelque chose d'important. La population aussi devient de plus en plus un argument parce que avec 25 millions d'habitants, nous sommes euh, dans le cadre d'une masse critique euh, euh, assez pertinente sur le plan économique. Nous sommes voisins du Nigeria, de l'Algérie, et notamment, qui sont deux grands pays qui sont potentiellement nos marchés d'avenir. La jeunesse de la population va commander des investissements dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Ce sont autant d'occasions justement pour de des hommes et des femmes d'affaires euh, comme vous l'êtes. Nous sommes un pays euh, qui est en train d'établir une grande tradition de bonne gouvernance euh, basée sur les exigences de l'état de droit, de la démocratie, du respect de l'homme, des valeurs justement que nous avons en partage, nous et vous. Les investisseurs britanniques qui ont longuement ovationné le président de la République, Mohamed Bazoum, se sont dit impressionnés par la vitalité des institutions nigériennes et par la rapidité avec laquelle se sont développées les relations entre le Niger et le Royaume-Uni. Ils ont effectivement retrouvé dans la présentation du chef de l'État des points positifs déjà relevés par certains de leurs représentants ayant pris part au Business Forum Niger-Union européenne en mars 2023. Ces responsables d'entreprises britanniques, totalement séduits, ont exprimé leur désir d'aller investir au Niger, pays qui répond désormais à leurs critères. Répondant à certaines questions, le chef de l'État a assuré que les réformes du Code des investissements tiendra compte de toutes les sensibilités, mais que des ententes bilatérales pourraient compléter le dispositif. Après le retrait du président de la République, les discussions se sont poursuivies dans des échanges B2B des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, de ceux de l'Agence nationale de promotion des investissements privés et des projets stratégiques avec leurs partenaires britanniques. Voilà, le ministre de la Culture a procédé hier à la réception des ouvrages du feu Leila Bahamidou, offerts par sa famille. Ce sont environ 1000 œuvres littéraires qui seront très bientôt mises à la disposition du public. Abdelkarim et Habibou Abraman. Ce geste symbolique de grande valeur, la famille de feu Lelaba Bahamid Omega Diko met à la disposition de la Bibliothèque nationale du Niger le patrimoine documentaire de l'illustre disparu. En effet, c'est plus d'un millier d'ouvrages et documents que la famille du défunt a remis à l'administration publique. l'Elaba était un homme de savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, de savoir et de culture qui n'hésitait pas de son vivant et en toutes circonstances à partager ses connaissances et son savoir. Les membres de sa famille que nous sommes avons la ferme conviction que de là où il est, il apprécie à sa juste valeur le geste que nous posons aujourd'hui en son nom. Pour le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, ce geste est d'une importance capitale pour les générations actuelles et futures. Ce geste symbolique pour vous est perçu par mon département comme un acte de très grande valeur qui mérite d'être souligné, félicité et porté à la connaissance de la nation tout entière. Je voudrais, en l'occasion de cette cérémonie, en mon nom personnel et au nom du gouvernement, saluer votre hauteur de vue, vous et vos enfants, d'avoir choisi de donner vie autrement à l'œuvre de votre époux, votre père et grand-père pour certains. Ce geste vous distingue et vous honore. Vous faites honneur à l'adage qui dit derrière les grands hommes se cachent de grandes dames. Je voudrais enfin vous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, cette documentation commence une nouvelle vie à la Bibliothèque nationale du Niger. Cette cérémonie de réception du fonds documentaire de feu Léla Bahami Mega a été l'occasion pour le ministre de la Culture de remettre à la famille un témoignage de satisfaction pour service exceptionnel rendu à la culture et au Niger par l'homme de savoir et de culture hors pair décédé en 2019. Comme vous le savez, la fête du travail rime non seulement avec la remise des doléances des centrales syndicales au gouvernement, mais également avec la décoration de certains fonctionnaires qui se sont fait distinguer par leur travail. Cette distinction honorifique est faite à travers la remise d'une médaille d'honneur du travail. Quelles sont les conditions à remplir pour l'obtention de cette médaille et quels sont ses avantages Éléments de réponse dans ce reportage de Karim Mambarmou et Mahamadou Adamou. Entre les locaux des services de la primature et du ministère des Affaires étrangères, cachés par la verdure d'arbres et des fleurs qui lui donnent une allure majestueuse, se trouve la grande chancellerie du Niger, dépositaire des récompenses destinées aux hommes et aux femmes qui se distinguent de leur métier. Dit-on, le travail a des racines amères, mais des fruits sucrés. Chaque année, à l'occasion de la fête du premier er mai, fête du travail, ces fonctionnaires sont récompensés à travers des distinctions honorifiques les médailles d'honneur du travail. nous avons, euh, dans le cas des ordres nationaux, nous en comptons actuellement 12 ordres plus une citation. Et la médaille d'honneur du travail est en bonne place. Et pour le cas de 2023, c'est jusqu'à 555 travailleurs que le président de la République, le grand maire des ordres nationaux, a décoré par un décret. Donc la médaille du travail à, quatre échelons. Et voilà, à quatre échelons. Il y il y a le bronze, il y a l'argent, il y a l'or et le grand or. L'obtention de cette distinction honorifique demande un certain nombre de conditions à remplir. Vers la fin d'une année X, le ministère ouvre la réception des dossiers et quand on ouvre la réception des dossiers, au niveau des différentes DRH, des différentes euh, euh, institutions, elles, elles, informent les employés, les travailleurs. Donc euh, il y a un mémoire qu'on prend au niveau de la chancellerie. C'est lui qui a 15 ans pour le premier grade qui est le bronze, c'est lui qui a 15 ans de travail et qui jouit quand même de l'excellence au niveau du son parce qu'il ne suffit pas d'avoir 15 ans, il faut aussi qu'il ait l'appréciation de ses supérieurs hiérarchiques vous remplissez le, mémoire, vous avez l'appréciation de votre euh, supérieur hiérarchique, vous avez le casier judiciaire et vous mettez ça, c'est ça qui constitue le dossier. Et maintenant, c'est la hiérarchie qui vous emploie, qui dépose au niveau du ministère du de, Travail chaque institution a le droit d'amener les dossiers de ses travailleurs dans tous les quatre grades et chaque année. Après 15 ans, tous les dossiers pour le premier grade sont reçus. Maintenant, si je prends un exemple, vous recevez votre médaille de, bronze en 2023, il faut 2028 pour demander, pour postuler à l'argent. Quand vous recevez le grade d'argent en 2028, il faut 2033 pour chercher la médaille d'or. Et il faut 2038 pour chercher la médaille de grand or. Les avantages diffèrent d'une institution à une autre. Dès que vous avez une décoration, consacré par le président de la République à travers la grande chancellerie, il y a des avantages en fonction des institutions. Certaines institutions ne font rien, malheureusement. D'autres donnent en tout cas des avantages euh, financiers allant d'un pourcentage. il est pour nous un devoir d'appeler les responsables de ces institutions-là, d'encourager eux aussi, en tout cas les travailleurs méritants. Si l'État du Niger reconnaît le travail fait aux travailleurs, il faut aussi que les institutions d'employeurs aussi le reconnaissent cela à travers des gestes de présents qui vont faire vraiment en sorte que l'excellence soit cultivée dans leur institution. Il est enfin à souligner que d'année en année, le nombre de distinctions accordées aux travailleurs ne fait que baisser. C'est le lieu d'exhorter les employeurs à proposer le maximum d'agents méritants afin qu'ils puissent profiter de cette distinction honorifique. Activité des partis politiques en prélude au prochain congrès de l'organisation des jeunes Tareya. Le bureau fédéral de Niamey de la dite organisation a tenu ce samedi un conseil fédéral extraordinaire. La rencontre qui a été présidée par le président du bureau fédéral de Niamey en présence du représentant du comité exécutif national s'est achevée par l'adoption d'une résolution relative au traitement des candidatures et de deux motions spéciales de soutien adressées l'une au président de la République et l'autre au président du parti, Gérard Ablaziz et Souleymane Wali. Forte fut la mobilisation autour de ce Conseil fédéral extraordinaire de l'organisation des jeunes du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme à OJT de Niamey autour du président de la structure. La tenue de ce Conseil fédéral nous permettra de discuter, de construire, de coopérer et de travailler ensemble pour confronter notre position Envier sur l'échiquier national. Nous croyons fermement à notre jeunesse qui est capable d'atteindre des objectifs ambitieux et peut apporter des solutions innovantes à ces défis multidimensionnels auxquels nous sommes confrontés. L'éclat de la rencontre a été rehaussé par la présence du représentant du comité exécutif national du Parti Rose et du président du bureau fédéral de Niamey qui a présidé la cérémonie. Permettez-moi d'exprimer toute ma joie de voir se tenir ce Conseil fédéral extraordinaire du BEF-OJT de Niamey afin de valider les candidatures du bureau exécutif national de BEN-OJT PNDS Taraya. Après les échanges, le Conseil fédéral extraordinaire a été sanctionné par une résolution relative au traitement des candidatures et deux motions spéciales de soutien au président de la République, Mohamed Bazoum, pour la mise en œuvre du programme de Renaissance 3 et au président du Sénat du PNDS Taria Fumokogoro pour son œuvre de rayonnement du parti. Le Conseil fédéral extraordinaire de l'organisation de la jeunesse Taria de Niami décide que le traitement des candidatures au bureau exécutif national soit fait ultérieurement selon les tests du parti. Donne mandat au président du bureau exécutif fédéral de l'organisation Taria de Niamey de traiter les dossiers conformément aux tests du parti et de proposer un projet de modification au règlement intérieur de l'OJT. Soutien, félicite et encourage le président et son gouvernement pour les sacrifices consentis. Réaffirme son engagement à répondre prêt à toutes les sollicitations des autorités politiques et administratives du pays. Soutien, félicite et remercie le président du SEN, le camarade Fumo Koigado. Réaffirme son engagement à l'accompagner dans toutes ses missions que ses prérogatives lui confèrent. En refermant ce Conseil fédéral extraordinaire de l'OJT de Niamey, il a admis ses régime du sérieux et de la sérénité qui ont prévalu tout au long de la rencontre. Une rencontre qui est organisée, il faut le dire, en prélude au prochain congrès de l'OJT. D'autre part, ouverture ce matin à DIFA des travaux du Conseil fédéral de l'Organisation des femmes Taria au titre de la région. La cérémonie a été placée sous la présidence du coordinateur régional du dit parti, Amadou Hassan et Kabirou Abdou. Cette cérémonie présidée par le coordonnateur régional PNDS, Dr Deuda Mamadou Marté, marque le début des activités entrant dans le cadre du Conseil fédéral de l'Organisation des femmes Taria de la région de DIFA. Ainsi, après l'hymne du parti et les mots de bienvenue du président du bureau exécutif fédéral, l'honorable Hamed Ben Hamida, la coordinatrice régionale de l'OFT a introduit l'objet de la présente rencontre. En ouvrant les travaux de ce conseil, le coordinateur régional a indiqué que cette rencontre se tient en prélude au congrès de l'OFT prévu se tenir à Niamey. Permettez-moi, au nom du comité exécutif national, de son président, le camarade Fouma Gadou, et au même propre, d'adresser les félicitations et les encouragements à l'OFT de Tifa avec celui de l'organisation de la jeunesse TAREA, OJT, ont contribué aux fortes mobilisations et aux suffrages obtenus par notre parti aux élections de 2020-2021 qui l'ont maintenu de loin comme la première force politique sur l'échiquier politique régional. Notre choix le choix du PNDS Tareya de placer les organisations de masse à l'avant-garde dans les missions de mobilisation et de défense des idéaux du parti est donc un choix juste et vous venez de donner la preuve éloquente. C'est donc l'occasion pour faire le bilan du mandat qui s'achève en vue de capitaliser et de pérenniser les bonnes actions, d'identifier les moins bonnes pour s'en départir de préparer une participation efficace de notre fédération. Auparavant, les représentants des partis alliés a rappelé les relations qui lient leurs partis à la mouvance présidentielle pour le renforcement de la démocratie, la cohésion sociale, l'unité et la paix afin de promouvoir le développement socio-économique. L'organisation des femmes du parti pnds a organisé ce matin également dans la région d'Ottawa les assises de son conseil fédéral en prélude au congrès prévu à Niamey. C'était en présence de plusieurs militantes et militants du dit parti et des partis alliés, James Sidier et Mohamed Agoumou. Après l'hymne du parti, la présentation de fatwa et de doigts, plusieurs interventions ont marqué l'ouverture de ces assises du Conseil fédéral de l'organisation des femmes tarielles de la région de Tawa. C'était en présence des membres du bureau exécutif national représenté par le deuxième vice-président Zachary Oumarou, qui après avoir Formuler le vœu de la réussite pour ce conseil fédéral a entretenu l'assistance sur plusieurs questions et préoccupations, notamment la distinction mondiale de l'ancien président Mahmoud Youssoufou, le deuxième vice-président du Ben Exécutif, a également entretenu l'assistance sur la portée et les enjeux de ce conseil fédéral de l'OFT de la région d'Ottawa. Plusieurs autres interventions ont également marqué l'ouverture de ces travaux, notamment les interventions des membres du comité fédéral, l'intervention de la coordonnatrice régionale de l'organisation Femmes Taria de la région de d'Ottawa. C'est l'amendement du rapport moral et financier, l'amendement du règlement intérieur, la désignation des camarades délégués qui seront comme participantes au, au congrès, la proposition des camarades qui vont siéger dans le bureau exécutif national de l'organisation des femmes Tareya. Notre attente, c'est la mobilisation. Le bureau exécutif national de l'organisation des femmes Tareya, représenté par Madame Betty, a également, au nom du bureau exécutif, entretenu l'instance sur les mesures à prendre pour participer au prochain congrès le deuxième vice-président du bureau exécutif national du PNDSTARIA, Zachary Oumarou, a clôturé les travaux tout en rappelant au comité exécutif fédéral de l'OVT d'Ottawa d'entretenir les flambeaux du Parti Rose qui s'étaille aujourd'hui une passe de choix sur l'échiquier politique au Niger pour joindre l'utile à l'agréable. Les participantes ont marqué des pas pour immortaliser les assises de ce Conseil fédéral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la chaîne nationale. Bonsoir.